pour structurer tout ce qui est action publique et politique publique au cours des cinq prochaines années et au-delà même 25 prochaines années parce que c'est adossé sur une vision prospective Sénégal 2050 mais si bien vision prospective il y a également un plan d'action qui si du Donc, nous chaque année l'Assemblée nationale vote le budget loi de finances pour opérationnaliser donc euh, am solo vraiment euh, bés bu am solo la ci Sénégal parce que euh, tey référentiel bi moo remplacer le plan Sénégal émergent euh, xam nga ancien régime bi plan Sénégal émergent ñoo adopté en 2014 donc dix ans après donc Sénégal 2050 ñëw indi rupture par rapport ak approche ak euh, orientation du plan Sénégal émergent. yow yow yow jàpp nga ni lu bees liñ indi par rapport au plan Sénégal émergent bi ce euh, euh, ci vous avez lan la concrètement. déjà ci la souveraineté parce que le plan Sénégal émergent il am lu bëre dépendance par rapport à l'extérieur La vision de bees c'est de compter d'abord sur nos propres forces utiliser suñuy propre ressource. premier ministre di wax endogénéité. voilà endogénéité parce que nous une approche bobu la indi donc rupture pour moi, fondamentalement faut lay faire. maintenant nous nous ñëw euh, du jour au lendemain ça va venir progressivement mais lu am solo rek moy d'ici 2050, nous avons war nañu yegg étape Sénégal de Sénégal souverain Sénégal juste et prospère maintenant c'est par cinq années un plan d'action quinquennal donc pour man souveraineté bobu yaakaar naa ni moo ci ëpp solo compter d'abord suñuy ressources compter si suñuy xam-xam compter si suñu kàttan pour mën a yóbbu Sénégal fu ñu bëgg parce que soo xoolee dëkk yi nga xam ne nekkoon nañu si situation bu Sénégal nekk tey dem au statut de pays développé wala lu ñuy woowee pays émergent ñoom ñëpp ils ont d'abord compter sur leur propre force maintenant nag teewul du ça veut pas dire que da ngay tëju da ngay di nga continuer ubbeeku di collaborer ak partenaires yi partenaires techniques et financiers yi mais yow sa orientation yow yaay joxe politiques, politique priorités priorité tamit yaa koy définiral sa bop yaa koy xalaatal sa bop diko mettre en œuvre donc par par toi-même je pense que euh, y a ni souveraineté bi foofu la nek déjà ci ressources naturelles yi déjà ci domaine numérique déjà dans le domaine alimentaire dans le domaine euh, de la santé dans le domaine de l'éducation domaine yoy yëpp nous na ñu repenser en tout cas euh, secteur pour sénégalais yi gis sen parce que gis nañ ni effort yi bëri na depuis 60 ans mais gis nañ ni des na lu bëri motax sénégalais massivement le président Bassirou Diomaye Faye euh, le 24 mars 2024 pour que promesse rupture bobu promesse transformation systémique bobu mu donc je pense que nous devons vraiment won vraiment orientation yi action yi vision bi naka nañ ko parce que nous nañ ko ci projet bi. projets. nous xana ci liñuy capital humain. Oui, wa capital humain c'est parce que c'est suñu principale richesse tay c'est vrai que am a des ressources naturelles gaz pétrole euh, ressources minières euh, ndox mais suñu principale richesse nit la. te développement si nit lay commencé si nit tamit lay jeexee